13 avril 2015 àdduna du dox ba ma fàtte bés bi ma la ñàkkee ana looy wax ni ana man dama laa soxla teewul maa ngi jéngu ndax sa jëmm ji yow jant bi leexal sama dund sama ana c'est comme ça que maman va t'appeler ma petite ana sunu maam mi ngi lay jooy ba léegi sunu ay xarit ñu ngi lay bàyyi xel di dundaale seeni Salam salaamaaleykum. Tes parents, ils ont réagi comment à l'annonce du mariage Pas bien Bébé, Yama. Hein, Bébé. arrête. Arrête. Ah, di dundaale seeni Tu di dundaale seeni sa qu'est-ce qui se passe. je crois qu'il me trompe. laisse-moi te déposer s'il te plaît. Amga sa famille Vous n'êtes qu'un appareil pour assumer garder ses distances ta maman elle est là. bien sûr où veux-tu qu'elle aille. d'ailleurs je pense que tu devais la faire sortir de temps en temps papa. oui ma Anna tout allait bien. j'ai tenu comme je t'ai promis jusqu'à ce qu'il apparaisse dans ma vie. Ami la timide. Bonjour, c'est Ami. Enchanté, Ami. Tu le nies ou pas, toi et moi sommes attirés l'un envers l'autre. Merde Neymari, oui, ça m'a dit. yaa Majib dafa jóge Paris nous yow sama papa. yow Majib Majib va..! Léa ça va. pardon. Mais euh, Ami xam nga la la réfléchir naboubar. le gars il est dangereux il Marie mënul ak moom. toi tu t'es cru dans un film ou quoi. ces gens qui m'ont tout pris qui t'ont pris à moi. Moi, j'ai aimé avant Ndeye Marie mais je bu jigéen mais bëggoon naa mais bon xamuloo ko. je l'ai aimé de tout mon cœur et aujourd'hui ma chère Anna je te fais une nouvelle promesse je te promets que vengeance sera faite. you